femme et les enfants du monde entier. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. Sauvez la femme et les enfants du monde entier. Respectez la femme, c'est la mère de l'humanité. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Tous à la Fada, votre émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Dans l'émission de dimanche, nous allons parler de la fille et surtout du respect de ses droits au Niger, un sujet aussi sensible que pertinent. Cependant, cette jeunesse est confrontée à d'innombrables problèmes tels que l'éducation. La population nigérienne est estimée à plus de 20 millions d'habitants, dont la moitié serait essentiellement des jeunes, à hauteur de 68,8%. Le Niger est censé classer. Le Niger est classé parmi les États les plus jeunes du monde. C'est malheureusement encore l'un des pays où la jeunesse vit dans un chômage caractérisé à hauteur de 23,7%. Justement, parmi eux, la quasi-totalité sont des filles, dont la majorité vivent en zone rurale, sont déscolarisées. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ignorent les droits des jeunes filles nigériennes. Afin de lutter contre cette situation, ces dernières années, des efforts étatiques et ceux des partenaires au développement ont été déployés pour rendre la vie des jeunes filles plus confortable. Éducation gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans. Création d'un meilleur environnement d'études. Lutte contre la violence faite aux femmes. Et stratégie pour mettre fin au mariage d'enfants d'ici 2030. Cependant, la situation de la jeune fille demeure préoccupante car si les outils légaux du respect des droits de la jeune fille existent, la mise en œuvre semble encore être balbutiante. Pourquoi les droits des jeunes filles ne sont pas respectés Qui doit les respecter Que faut-il faire Comment respecter les droits des jeunes filles Quelle place occupent les filles des zones rurales Avec nos invités à la FADA, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Le thème du jour est le respect des droits de la jeune fille au Niger. Qu'est-ce qui bloque et que faut-il faire Chers auditeurs qui écoutent à travers le relais de nos 47 radios partenaires, la FADA de ce soir est posée. Donc à la place en Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez participer sur l'émission à travers notre numéro de téléphone le 80 06 88 54. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant un jeune au 80 06 88 54. Tout ça à la FADA, c'est 35 minutes d'échange avec des intermèdes musicaux. L'artiste s'exprimera sans nul doute et Miss Olivier sera de la partie pour boucler la boucle. Un bon premier fera certainement l'affaire et si nos invités sont en place, décollage imminent. Nous sommes présentement à la place lieutenant-colonel Hassan Anoutab. En face de moi, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous sommes avec euh, Adama Garba Abdou, cellule nigérienne des jeunes filles leaders. Ça va Ça Adama. bonjour. Tout se passe bien le combat. C'est never give up. Nous sommes aussi avec euh, Gisa Ataher. Il est de Youth of you, uh, Human Rights International. Yeah. Ça veut dire quoi tout ça association, association internationale des jeunes pour les droits de l'homme. niveau Nous sommes aussi avec Tou Amadou Saleh de la même structure. Elle est où Nafisa Nafisa, ça va bien Tu es là Je te cherche partout là. Non, je suis là. Nafisa, je te cherche partout. C'est la chanson de Yélène. Elle est là. Nafisa, ça va bien <laughs> Ça va, je vais bien. On est en forme. On est prêt pour l'émission Ah oui. Super. Je suis aussi avec Farida. Farida Mustafa. Tu pètes la forme, j'espère. J'explose. Ah waouh, explosons ensemble de femmes sur l'émission. Je suis aussi avec euh, une une combattante, et une amie de la Fada, Salamotou oui, ça va salam tu vas bien bonjour il faut que tu ay ba kusuma le meilleur pour la fin voilà attends ne femme femme ça va tu es en forme non ça va bien super le respect des droits de la jeune fille au Niger qu'est-ce qui bloque que faut-il faire c'est notre thème du jour et nous démarrons avec notre première série de questions Adama est-ce que les droits de la jeune fille sont euh, réellement compris au Niger Si oui, comment expliquer la stagnation par tous les acteurs du secteur Sinon, qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'incompréhension, Adama Alors, Dondi, ce que j'aimerais dire, c'est pas que nous ne sommes pas euh, au courant mhm. des droits des jeunes filles, c'est la mise en application de ces droits qui est tout autre. Mhm. Par exemple, dans les zones urbaines, on connaît que la jeune fille a droit à l'éducation, à la santé, à, avoir accès à tout ce qui est possible d'accès aux jeunes garçons. Par exemple, le problème peut-être c'est ceux qui sont en milieu reculé. Ils ne savent pas concrètement ce que c'est que le droit de la jeune fille. Quels sont ses droits Surtout ça, c'est justement lié au contexte et au poids socio-culturel qui est là. Mais néanmoins, c'est sur quoi nous allons nous nous présenter de notre côté. C'est que c'est l'État même qui est réticente vis-à-vis des différentes euh, signatures qu'elle a eu à signer à l'international. Voilà, euh, la mise en application. Mhm. À l'extérieur, ils mettent en application, ils sont même au devant pour signer au nom du pays des textes, des lois, mais au retour, les appliquer et tout autre. Maintenant, ils signent ils reviennent au pays, ils les mettent dans le placard, ils oublient. Et ce qui est lamentable, c'est qu'on constate de plus en plus, c'est même ces intellectuels, ces mêmes personnes qui sont censées défendre les droits de la jeune fille, qui sont en train de les bafouiller. D'accord. Vous voyez. Euh, Matano, est-ce que toi tu es d'avis avec notre très chère soeur Django Djang Bayangodin Adama Sanoka Chideke Et ta wan ta logara. amma jara kancin dimo kwara bore mboda anu kwara bore mboda aha mm, ifo no explique kwara bore wona eta wana matkachi no convention yaki go signé ki sig respecté mm. e muka emigisi isig e texte appliqué wodente eta won problème no ya to en no ya rafa <laughs> de ngumo bore kwara bore wona gono manti kun no faham mm. ifo no ta eh, jeune fille won droit e kangase mm. da haki mata gite da kiki mata gite jon kwara bore talo na badin a kul mentality har kanu ban warana go ir banga donu wato dilla sabu zene kan girse kan mantiya dinu haya kulu sommo wo kan mm. se kan mantiya dinu fo kai ga hayo no da bar bar mai wala atayar selon vous Qu'est-ce qui peut être de manière ramasser les raisons fondamentales qui empêchent le respect des droits des jeunes filles au Niger Les raisons fondamentales, si on peut le dire, qui freinent le des droits des femmes, c'est mm. ça mm. Des jeunes filles surtout. Mm. C'est, je le répète toujours, c'est la volonté politique. Volonté politique. La volonté politique. Et je vais venir peut-être à un deuxième point qui est la famille. puisque Puisqu'on sait tous, la famille, c'est le socle supposant où on peut dire on apprend d'abord les bonnes manières, on grandit, en tout. D'abord, en termes de protection même, on dit la première protection ne vient pas, bon, ça c'est une, vision philosophique, la première protection ne vient pas de l'État, elle vient d'abord dans la famille par les manières dont on inculque aux enfants les, comportements, leur éducation. Donc d'abord, c'est au niveau de la famille pour ressurgir au niveau de, l'État. Mais le, problème fondamental, je me dis, c'est l'État, puisque l'État, a une obligation. Elle a ratifié les textes à l'international. Elle a l'obligation, selon les textes nationaux, la Constitution, elle a l'obligation. Genre, si on peut le dire, bon, nous, on peut rester seulement à ne rien faire, mais l'État se chargera de tout. Certes, ce qu'on peut faire, euh, ce qu'on doit faire est minime par rapport à ce que l'État doit faire. Donc, l'État a une grande responsabilité. Selon toi. Voilà. Tu vois, tu indiques directement l'État. Voilà. Salamoto, Aïtonga. Tout son dire sambouone, l'épanouissement de la jeune fille, de la femme et tout ce qui va avec. Il faut payer nous goga tafar, selon toi. Tout. mais na da son da arabi hmm. gara. Je suis d'accord que oui, on connaît nos droits, même en ville et tout, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Aujourd'hui, la connaissance du droit, c'est pas juste savoir que ah oui j'ai droit à l'éducation, ça suffit pas. Il faut aller au fond. Il faut que me j'ai droit à l'éducation là, il faut nous, il faut nous. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Où est-ce que ça va Puisqu'elle est limitée en fait. Il faut pas que j'ai femme. Il faut que j'ai droit à quelque chose nim faham droit d'une na kondini. Donc, je pense que nous. Et on doit continuer à parler pour que euh, un Bayambori. Donc, parler moi de modèle Rubogar. Nous parler. parler, nous dig parler, Kala. <laughs> Aramoko parlement. Farida Mustafa. Nous avons écouté tous avec intérêt ce qui vient à l'instant de dire euh, nos invités de la FADA. Oui. Et vous faites partie de nos invités. Je ramène le sujet. Selon toi, le respect des droits de la jeune fille au Niger, qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque oui. Alors, les uns et les autres ont déjà évoqué, sinon indexé, <laughs> certaines personnes. Et, et, justement, et, justement, c'est avoir la de tout le monde. Oui, c'est super quand on met sur le plateau l'État et, nous-mêmes la population. Et mon cher Ataya, qui est juste à côté de moi, disait que la grande responsabilité revient à l'État et une petite partie à la population. Mhm. Ok, mhm. j'en conviens. Mhm. Mais est-ce que la petite responsabilité qui euh, qui incombe à la population, est-ce que la population fait ce qu'elle doit faire Moi, mhm. Moi, c'est pas ici que je le dis. À chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole à l'OME sur ce genre de sujet, je dis oui, c'est bien d'indexer l'État, mais il faut d'abord s'indexer soi-même. Oui, il faut, il faut réclamer ses droits, mhm. mais il faut d'abord faire ses devoirs. Mhm. Est-ce que la population fait ce qu'elle a à faire D'accord. Même si aujourd'hui, en réalité, l'État ne fait pas ce qu'il faut, avec déjà les organisations qui sont mises en place, avec déjà les luttes. Euh, des différents organismes qui sont menés, je pense que ça, va aller. C'est vrai, je reconnais que l'État a beaucoup de responsabilités dans cette histoire. Mais je pense réellement qu'avec beaucoup de sensibilisation et aussi avec la participation des chefs religieux. Pourquoi je le dis mhm. Parce que nos États sont beaucoup, encore beaucoup religieux. Mhm. On ne peut pas mener cette lutte sans la participation des chefs religieux. Parce que quand on va dans nos mosquées, mhm. pour ceux qui sont chrétiens, quand on va à l'église, on écoute beaucoup plus les imams, on écoute les, pasteurs et j'en passe. Donc si même vous sortez, on vous dit oui, il faut amener votre fille à l'école. Et quand je retourne dans ma mosquée, je constate que l'imam de la mosquée n'envoie pas son enfant à l'école. C'est moi qui vais envoyer mon enfant à l'école. Non, il faudrait vraiment faire adhérer les chefs religieux, les leaders religieux, il faudrait qu'ils adhèrent à notre lutte. Si on, si on les a à nos côtés, je vous assure que, vous pouvez, ça prendra un, inimaginable. Des montagnes. Merci Farida. L'artiste s'exprime. C'est une rubrique de l'émission Tous à la Fada. On suit et tout de suite la suite. Samy, ton frère Dondi, la machine te souhaite la bienvenue une fois de plus sur cette émission. Je suis ravi d'être parmi vous. Super. Avant de quitter le rap, vous avez enregistré combien d'albums Un seul album, je pense. C'était C'est Watarana. Watarana. Ok, d'accord. Et tout ce qui est Anche, Ete, Eteche, Wanchamba, ça faisait partie de l'album ou bien c'était dans un autre projet qui n'a pas vu le jour En fait, euh, Anche, fait partie de. Je pense que c'était notre troisième ou quatrième son. De l'album on les a écartés comme étant des, singles premiers juste du groupe. Ok, d'accord. Et vous avez préféré continuer avec euh, d'autres sons Voilà. Parce que tu n'iras plus. Ok On va surtout parler du cinéma. Parce que tu as fait de la merveille, tu as émerveillé le Niger à travers euh, tes œuvres artistiques. Tu as cette vision de rendre belles les choses. Parlons de tes réalisations, Samira Seyedingo. Cinématographiquement parlant, je suis toujours à 9 ans. le 9 ans, revient. Ok. J'ai joué dans une publicité pour la SNTV, c'était une compagnie à de sport. Déjà. Voilà. Ensuite, euh, j'ai apparu euh, dans le film de Monsieur Jaloud de La fille du gouverneur. Tout à fait. Le rôle que j'ai, un rôle principal que j'ai interprété et qui a boosté euh, ma carrière. dans le cinéma. Dans le cinéma. Oui. Et ensuite, euh, je suis apparue dans le film Zinaria, qui a remporté un prix au FESPACO de la réalisatrice Rabatou Keita. J'ai interprété le rôle de la reine Poku. Et euh, puis, euh, j'ai commencé à réaliser mes propres films. Mhm. D'abord, officieusement, mhm. parce que j'ai commencé ma première série en 2013. Le titre, c'était C'est la vie. Mhm. Et euh, on avait fait plusieurs castings, on avait euh, commencé une maquette mhm. qui n'a pas vu le jour, mais j'ai toujours les, images avec moi. Mhm. Et, mais c'est vraiment en fin 2018, début 2019, que j'ai réalisé ma toute première série officielle, mhm. une saison au Niger, qui est un cri de cœur euh, lancé par l'ancienne génération qui a peur que la nouvelle génération ne puisse pas préserver ses valeurs et mœurs. On va parler cette fois-ci, en tout cas, de tes réalisations, de, tout ce qu'on a vu, euh, n'est-ce pas, à l'occasion de Tilaberi Chandalo, euh, du Fangala l'année passée, et aussi euh, récemment de cette vidéo que tu as lâchée sur les réseaux sociaux qui met en valeur, n'est-ce pas, le manga. Parlons un peu de tout ça. Ça a commencé par UA. UA. Déjà, UA, c'était une initiative de Niger OK. Parce que on avait remarqué que c'était plus les adultes mhm. qui avaient été associés, qui avaient été approchés pour réaliser une chanson officielle, un clip et tout. Mhm. Nous, on était révoltés. Pas parce que on ne respecte pas nos aînés, on les adore. Mhm. Mais on s'est dit, pour une occasion comme celle-là, on mhm. devrait quand même associer les jeunes aussi. Mhm. On a du talent, on est sérieux. Mhm. Donc on s'est dit, ça veut dire qu'il y a un problème de confiance. Il faut qu'on montre de quoi nous les jeunes, on est capable pour qu'on tienne compte de nous. Du coup, j'ai approché plusieurs artistes, voilà, et euh, je leur ai dit, euh, voilà, Niger Wood va prendre financièrement en charge tout ce qui est côté euh, financier et tout ce que je veux, c'est que eux, ils nous prêtent leur voix mhm. afin qu'on montre de quoi on est capable. Ils avaient euh, le même sentiment que moi. Du coup, euh, on est allé, on a fait un son. <laughs> Et, ça a bien donné. Ça a cartonné pendant plusieurs mois. Et un moment, c'était voilà, un moment c'était le clip euh, le plus diffusé sur toutes les chaînes. Bien sûr. et bien sûr, ce clip a réuni plus de 300 figurants. C'était une première au Niger pour un clip. Mhm. comme tu l'as demandé comment je fais pour réunir autant de jeunes, je pense que c'est juste parce que j'ai la chance d'avoir grandi devant eux. Et euh, je n'ai pas perdu ma crédibilité. À chaque fois que je, je fonce sur un projet, j'y mets du sérieux et ils l'ont remarqué. Alors quand je vais vers eux, ils se disent ah forcément ça va être beau forcément elle aime les choses grandes donc elle ne va pas nous limiter à quelque chose euh, d'ordinaire parlons un peu de la proclamation de la République la fête tournante cette année alors ouais. Déjà, euh, merci au comité de Gala parce qu'ils nous ont fait doublement, pour ne pas dire triplement confiance. D'abord, on est avec eux depuis l'année passée. Mhm. on, a d'abord réalisé un clip pour eux. On a été jusqu'à Difa, filmer et tout. Mhm. La fête a été reportée. Et euh, on, a, on s'est mis à leur faire un film. Le film, euh, a comme titre euh, le 1 18 décembre de tous les défis. Mhm. L'objectif, c'est de retracer toutes les difficultés auxquelles euh, ils ont dû faire face. Parce que n'oublions pas que DIFA était un cas particulier, niveau sécurité, niveau distance. Euh, mhm. L'artiste Samira Senidjingo, la réalisatrice, la cinéaste, s'exprime. et Sami, une page Facebook, un compte YouTube pour Nigerwood Oui, YouTube, Facebook. Instagram et tout, c'est Niger, Wood. Merci Samira. Investissez en nous, s'il vous plaît. On va investir en vous. Nous, nous avons déjà cru en vous et nous allons les pousser à investir en vous. Nous sommes à la fin de cette rubrique. Merci à tous. À l'instant T, c'était l'artiste s'exprime. Sur l'émission tout ça la Fada, nous parlons du respect des droits de la jeune fille au Niger. Qu'est-ce qui bloque et que faut-il faire nous sommes à la place en table. Ladies and gentlemen, salamatou. Tout à l'heure, quand Farida parlait, il disait les chefs religieux. Exact. Avant, l'artiste s'exprime. Tu as dit, hmm. je suis d'accord. Ça veut dire que nous, nous, il faut qu'on y vienne. Oui, oui, oui. Je suis d'accord parce que c'est les meilleurs influenceurs. OK. C'est les plus grands influenceurs. Ils vous comprennent? Eux, ils vous comprennent. Justement, il y a un déphasage souvent dans ce qu'on dit par rapport à ce que eux ils comprennent. Sono ka ti déphasage odin. <laughs> Han foyan mm. igmil kan sar tare no irgba ilmte. Ah, ngono problème sintina no. ya. Ils sintingu parce que au sommet des jeunes filles africaines récemment que le Niger a accueilli, mm. les chefs religieux étaient là et euh, il y avait euh, des chefs coutumiers et tout, des chefs religieux, qu'ils étaient là et ils se sont exprimés sur la question des mutilations génitales féminines. Hmm. Donc, on voit que eux aussi comprennent, ils prennent des initiatives parce que ils ont même une organisation de chefferie traditionnelle qui font quand même des activités. Bon, ça commence à bouger. Ah, ça commence à venir. Agoka, agoka. Adama. <laughs> you know, Adama, nous en parlons en sommaire de l'émission. Il y a des mesures prises dans le cadre du combat pour le respect des droits de la jeune fille au Niger. À l'heure actuelle, ces mesures peuvent être euh, concrètement évaluées, bien qu'elles semblent ne pas avoir eu des résultats euh, extampés euh, pour le moment. Vous pensez que Misaliga, Mesireo, Igwanda, Kokore, Kokoreir, Niger, Labora. Oui, il me mais il s'y goûte si vous si on n'arrive pas à appliquer les choses telles écrites noir sur blanc, est-ce qu'on aura le temps de valier, de faire le pour et le contre de la mise en activité Niger il est ne kala 16 ans 16 ans est-ce que on est en train de valuer le nombre de jeunes filles inscrites et les jeunes filles qui ont atteint l'âge de 16 ans, toujours en continuant mm. à suivre le cursus scolaire. Je ne pense pas. Concrètement, on ne sent pas le fort impact de tous les traités qui ont été signés. On ne le sent pas. C'est ça le véritable problème. Bien Vous sûr. comprenez Je suis d'accord avec toi. Je reviens, bien évidemment, vers mon ami Nafisa euh, euh, Nafissatou. Nafissa. Quelles sont en réalité les limites de ces mesures pour le respect des droits des jeunes filles Et pourquoi, selon vous, ici au Niger Les limites des mesures qui sont prises. un gouvernement a une forme kayar do il faut que irin baikan haikir gote ir sigate bor fose en train nir gote duwai bore ko sont honkuna labo no go ko jine labo mo yeri kul wonno man we bore hin wonno man bor folno wonno labo bora kul wonno man bor fo kan go tare won mono ir wonno labo ir no kamata gaza konda de ir singa te mo dir go go te sangir ba fo dai kan gote amman kamata fo ke bora kul mutun ker bande ir kan badan ker kan bara na charchan de koy gine irim duga avancer avançons adanga denga dans un article publié par le Sahel le 6 octobre 2021 madame al Aminata. Zurkeleini a rappelé lors de la cérémonie de lancement de la semaine de mobilisation des porteurs d'obligations dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeune fille que de nombreux efforts ont été consentis par l'État du Niger en matière de protection de l'enfant, dont entre autres l'adoption du document cadre de la politique de protection judiciaire juvénile de la loi 2014 portant juridiction pour les mineurs du décret portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité. Ma question est la suivante. Nous l'avons compris, les mesures prises euh, par les autorités et les partenaires au développement dans le cadre du respect des droits de la jeune fille sont insuffisantes, n'est-ce pas Oui. On a compris ça. Quelles peuvent être alors les solutions face à la problématique du non-respect des droits de la jeune fille au Niger Monsieur Attaher. problematiko matukan da iginga duwase fatayan igino kati in mu zankai wai ba zai imice wanda za i go zanka mm. imice wanda yin bai ifo no kati ngai alhaka ifo no kati ngai durwa imin gai durwa bai za i go zanka hali gibir za kan har yan no kan ditun dai iga amfanin dai buhun kun bol kan gingu durwa bai c'est un potentiel danger comme le disent certaines personnes entre c'est un mm. potentiel Oh, hmm. Vraiment pour parler vraiment aux problèmes qui sont liés euh, vraiment au respect des droits de la jeune fille et autres, il va falloir vraiment qu'on puisse intégrer, bon je dirais pas le système de, au niveau de, de l'État, qu'on puisse nécessairement intégrer l'éducation euh, des jeunes dès au niveau du primaire sur leurs droits et autres. Et au niveau de, je sais pas, de la famille, essayer de voir des solutions qui sont là euh, à travers, certes, bon, la télé est là, mais quand même, les gens sont un peu réticents euh, à, ce que les gens regardent la télé, puisqu'ils disent ça éduque mal les enfants et autres. Mais quand même, la télé peut être un outil d'éducation mhm. euh, des jeunes à connaître leurs droits avec des petites activités qui peuvent éduquer plus facilement les, enfants. À travers ah donc l'écran. L'écran. Farida. Tout à l'heure, tu avais évoqué une autre ville de l'Afrique, Lomé. Lomé, c'est au Togo. C'est ça. On va essayer de faire une petite comparaison. Vous avez certainement une idée de la vie de Lomé et de la vie aussi de Niamey ou du Niger. Est-ce que aussi ailleurs, euh, c'est le même problème qui se pose est-ce que les autres filles, euh, n'est-ce pas, du monde sont aussi écoutées Ou bien c'est qu'au Niger que nous constatons cela euh, la violation des droits des, des filles. Ah, non, non, non, non. La question de la violation des droits mm. des jeunes filles ou des femmes, c'est vraiment un problème, je vais dire, planétaire. Ah, c'est planétaire clairement, même. Parce que Mondialement, <laughs> mondialisé. clairement, même euh, mm. dans ces pays où nos différents chefs d'État se déplacent pour aller signer ces lois-là, mm. même dans ces pays, il y a toujours la question de la violation. Donc, euh, même Mais, dans sauf les que pays ça des de différents degrés clairement, sauf que mm. c'est à des différents, à des différents degrés. Je voulais aussi revenir sur la question de la famille. La famille. Mais avant de revenir, je reviens sur l'État. Mm-hmm. Euh, on demande qu'est-ce qu'il faut faire pour justement résoudre ce problème de, des, violations des droits des filles. Moi, je pense que nos différents États devraient éviter de faire du suivisme. Ce mm-hmm. C'est pas parce que une loi a été votée quelque part mm-hmm. que moi, moi également je vais voter cette même loi. On n'a pas les mêmes réalités. Ok. Je pense qu'avant de prendre une loi, il faut d'abord s'assurer qu'on est en mesure justement de faire respecter cette loi. Donc c'est hmm. parce que dans d'autres pays on l'a fait, on hmm. veut imposer ceci dans notre pays. Non, moi j'appelle ça du Les réalités ne sont pas les mêmes. Exactement. Hmm. Maintenant pour revenir au niveau de la famille, même si aujourd'hui l'État prend des décisions, l'État essaie d'appliquer, l'État ne peut pas rentrer dans les différentes maisons pour voir si effectivement ces lois-là sont appliquées. D'où le fait de sensibiliser beaucoup plus les parents. C'est vrai, aujourd'hui on parle des droits des jeunes filles, même si elles prennent conscience qu'elles ont des droits, elles sont toujours dans ce petit carré-là, dans ce petit cercle familial. Si les parents n'ont pas encore accepté que ma fille a des droits, même si consciemment elle le sait, elle ne pourra pas s'épanouir. Parce que ça risque plutôt de créer des tensions entre enfants et parents. Parce que l'enfant va dire j'ai des droits, je dois aller à l'école, je ne dois pas me marier avant euh, l'âge, mais le parent dit tu es mon enfant, je ne reconnais pas tes droits. Donc il faudrait forcément voilà, ça aussi risque de créer des tensions. Justement, on aura ce problème intergénérationnel là, mais il faut beaucoup plus la participation des parents. Merci Farida. Merci Farida. La musique s'impose sur l'émission Tous à la Fada. Vous connaissez euh, le collectif Soniger euh, euh, qui dit euh, Vous connaissez On va vous faire plaisir sur cette émission. Vous êtes des Dangi, Collectif sonigère et tout de suite c'était le collectif solidaire. C'était au sur l'émission Tous à la Fada. C'est justement les Oborodangi qui sont sur cette émission qui vont faire appel à Mr. Olivier. Pour la chronique de l'émission, Olivier, dont dit la machine, et les Oborodangi te souhaitent la bienvenue. De quoi parle le texte Amis auditeurs et auditrices, chers amis de la FADA, bonsoir. Sur la toile nigérienne, cette semaine a été mouvementée entre les hours du rire africain et l'élection Miss Niger, on peut dire que les événements de fin d'année au Niger sont au rythme du buzz à la nigérienne. Mais ce soir, c'est l'affaire de Miss Niger qui est au centre de notre chronique. Le week-end passé après les élections Miss Niger, une photo avec peu de lumière a été publiée par un internaute. Cette photo, peu appréciée par les internautes, a été très vite republiée avec des commentaires critiques, je peux dire très critiques. Mais avant de continuer, je m'arrête pour vous informer que la Miss Niger 2021 vient de la région de Dosso. Cette année, comme l'année passée d'ailleurs, les critiques sont à l'endroit des organisateurs et c'est la somme de la lauréate qui a attiré la foudre des internautes. Cette année, la Miss Niger a eu la somme de 100 000 francs CFA. Comparée à d'autres pays, cette somme est jugée insuffisante par les internautes. Des commentaires allant du boycott de la prochaine édition ou encore une interpellation du ministère de la Culture afin que celui-ci puisse prendre en charge l'organisation de la prochaine édition. Pour certains, les élections Miss Niger sont sous-financées par les opérateurs économiques et c'est ce qui justifie d'ailleurs la somme de 100 000 francs CFA remise à la lauréate. D'autres estiment qu'au Niger, une élection Miss est contre les normes sociales. C'est pour cela que très peu de personnes mettent leurs moyens financiers là-dedans. Considéré comme une activité récréative, le concours Miss Niger est l'un des concours qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Quant aux organisateurs, ils ont préféré le silence. Amis auditeurs et auditrices, nous allons clore cette chronique avec le commentaire de deux internautes. Une dit ceci. Les pays qui s'amusent sont des pays qui ont fini de se construire. On ne peut pas danser avec nos problèmes sur la tête. Et à un autre de renseigner, la détente, c'est après le travail et le résultat. Pas quand on est sous les problèmes. D'ici là, on oublie les problèmes, on passe un bon dimanche et on se retrouve lundi avec beaucoup d'énergie. Paix, lumière, amour sur vous, One Love. Bye bye. À l'instant, testé Olivier. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. Et nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Pour ceux qui viennent nous prendre en cours, eh bien, sachez que vous n'avez rien raté. Euh, si vous n'avez pas pu kiffer l'émission à travers nos 47 radios partenaires, vous avez la possibilité d'aller tout de suite et maintenant sur le site du studio Kalangu, Arangingodoa, de A à Z. Et nous parlons du respect des droits de la jeune fille au Niger. Qu'est-ce qui bloque et que faut-il faire Cherchons des solutions et la vue de tout le monde compte. Je commencerai d'abord par Salamato en une phrase que faut-il faire Une phrase, Dondi. Oh, mais, <laughs> ok. Euh, puisque je dois dire une phrase, <laughs> je vais dire qu'on va continuer à éduquer et à sensibiliser. Euh, continuer à éduquer les jeunes filles, continuer à éduquer les parents, les chefs religieux et aussi à sensibiliser toutes ces personnes-là pour qu'elles se rendent compte que ce n'est pas juste pour faire, c'est parce que c'est important pour nous et pour eux adama ai o don di o kai hai kai gi ci o hino mingi gadi ha. hino mingi gadi zam il faut c'est texte gono asigi appliquer mm igi bore violer igine a c'est tabou pour la dignité de la famille im hayatugu ya dinga hino him vraiment jing partition odi amu gobo samu karo to du gobo barka o kan gogo him karo ima samu gobo gobu chafari ima kar wala irmano na adama to no ifonon sani ban ka fi sani hinkan se irin policy tira ai no fon nim hinkan ta moto wana gite. Ah. Et du kono fi filles différemment. Mm -hmm. Et du kono nos garçons différemment. Ah. Voilà. Ah, ouais, ça, je me méditer avon. Et il quand t'as gâté pour les ga bifo wana. Ikulir mm. coudre gogi remercier. Il dit wana engagement Abori Bouri à Kandesi concours national au kan il mais parler des congrès ka on organiser Oh, mais... to aran mu aran fo ay dernier mot perspective solution je voudrais avoir ton avis. Le seul mec sur la, la <laughs> Le seul coq de la Le seul coq de la quoi déjà La basse-cour. <laughs> eh ben, nous t'écoutons. C'est une cause au fait qui interpelle tout le monde, raison pour laquelle peut-être je dois être le seul. Bon, peut-être c'est une cause donc il n'y a pas de femmes et c'est une cause doit interpeller toute personne, tout citoyen, de tout le monde. Mhm. Voilà, donc, et c'est l'essentiel, je veux dire surtout, c'est l'éducation des jeunes dès leur bas âge et la sensibilisation. Je rejoins l'idée de, de, on est de la même. Salam a fait cinq phrases, peut-être que j'en ferai 10. Perspective, solution, Farida. <laughs> Alors, ne reste que ton avis. Finissons avec l'avis de Farida. Finissons avec mon avis avis. ce que tu as envie de dire. ne te limite pas seulement à une phrase si tu veux. D'accord. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Filles, garçon, hommes et femmes nous sommes tous des humains. Donc, nous avons tous les mêmes droits. Et l'éducation de la fille et du garçon, je ne vois pas pourquoi c'est différent. Pourquoi je le dis C'est comme ça que ça se passe chez nous en tout cas. La fille, c'est à elle qu'on apprend à cuisiner. C'est à elle qu'on apprend à faire le ménage, la lessive. Le garçon, il peut aller jouer au foot dehors, il peut aller, aller regarder la télé. Mais savoir faire le ménage, c'est une question de vie. Demain, le garçon peut, se retrouver seul quelque part. S'il ne sait pas faire à manger, comment est-ce qu'il se débrouille Vous Donc, il faut, comme euh, la fille, ça le disait, il faut qu'on revoie l'éducation à la base. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand on parle des, droits des femmes ou du féminisme, je vais un peu extrapoler, les gens pensent que les femmes veulent monter sur la tête des hommes. Les gens pensent que les femmes veulent confrontation avec les hommes. Non, ce n'est pas ça. On veut juste mettre chacun à sa place. Pourquoi aujourd'hui on réclame le droit de la jeune fille ou le droit de la femme C'est parce que trop longtemps, nos droits ont été bafoués. Messieurs, on ne veut pas monter sur vos têtes, rassurez-vous. Hein. Il faut juste une complémentarité entre hommes et femmes. Donc trop c'est trop. Trop c'est trop, les Changeons les choses, on est fatigué. Le changement est possible. C'est possible, C'est possible. Donc, puisque c'est possible, Changeons seulement pour la fraternité, le travail et le progrès. Neme voilà, machine auto bananta. ndinoa émission wurtle.